Voici aujourd'hui un secteur pourvoyeur d'emploi. Et c'est une raison pour laquelle je pense aujourd'hui que les maires que nous sommes, avec les, maigres moyens que nous avons, nous allons faire aussi un sorte de pouvoir obtenir le forum mondial sur l'économie sociale, solidaire et circulaire, c'est surtout dire que toutes les activités qui sont exclusives de la classe, on espère que ce les Sénégalais et les Sénégalais qui s'activent dans ce type d'activité seront se retrouver pour pouvoir donner à l'élevage sénégalais notre souffle. Et réitérant euh, mes remerciements à madame. Et euh, je souhaite encore un plein succès à cette 14e édition. Et, euh, le bon Dieu vous garde et le bon Dieu vous rapidement, Non, non, mais on a dévoilé la partie. On a dévoilé la partie très rapidement. aux 14 au passage le président des teewaayu euh, ay acteur financier comme Crédit Mutuel du Sénégal gis nañ fi tamit ay assureurs. comme euh, AXA assurance. ak suñu vie assurance. Euh, loolu lu muy wone rek mooy activité bu mel ni élevage. waaw kon waaw doo may ma filmé ah, non il y a sa téléphone nga yore ah, ñu filmé ñu ñu yor caméra donc ku ko wax ben. tamit bitim réew moo xam Amérique moo xam Asie moo xam Europe. état yi. dañ ko jàppale élevage jàppale

di euh, invité tamit di invité tamit acteurs yi yëpp. waaw waaw poche programme bi daal ci économie sociale solidaire et secteur ñu amal fii Sénégal particulièrement à Dakar ñu xamee Très bien. Voilà, très bien. Merci beaucoup. C'était euh, le maire de la ville de Dakar. Et en cela, nous allons continuer avec le président Ousmane Sonko. Non, non, non, non, non, non, Vos impressions. impressions par rapport à la 14e édition du Salon international de l'élevage. Aujourd'hui, on voit des jeunes réunis, des jeunes intelligents, mais des jeunes qui en veulent pour le développement de ce pays. Vous en pensez quoi? Oui, merci beaucoup. Grand, grâce pour le le maire de Dakar, la ville Dakar, je est tantôt pour dire combien tu as financé pour l'organisation de la parce qu'on est dans le périmètre de la ville de Dakar. Et nous nous honorons de voir l'intérêt qu'il porte à ces activités liées à un programme extrêmement important pour euh, contre la pauvreté et surtout l'économie sociale et solidaire. Euh, je suis là d'abord parce que je suis moi-même un éleveur. Depuis tout petit, j'ai toujours élevé. Tous ceux qui vous connaissent savent, que ce soit les poulets, les pigeons, les chiens, tout ce qu'il y a à élever. J'ai toujours été passionné d'élevage et j'en fais jusqu'à présent, même si ce n'est pas très assuré. Donc nous sommes attachés à tout ce qui est élevage. ce n'est euh, pas la première année que je viens cette fois. Je y a deux Et nous avions régulièrement cette fois. Cette année a une particularité. Je serai venir de toute façon, mais j'ai été particulièrement touché hier lorsque l'épouse de notre ami et frère Keïta nous a appelé pour nous dire que Fadilou Keïta, qui le président de sa cellule de rebus où il est en détention politique, il est entre les mains de Macky Sall et de son régime, a envoyé pour nous, dire, pour nous faire dire de tout faire pour venir visiter la euh, je veux dire aux éleveurs que vous avez un président qui est un passionné d'élevage. Vous le savez, c'est pourquoi vous l'avez porté à la tête de votre structure. C'est Ce pas les compétences qui manquent, ce n'est pas les passionnés qui manquent. Nous avons ici des professeurs d'université, des hauts fonctionnaires, euh, des professions libérales, euh, des éleveurs professionnels. Nous avons toutes les catégories. Pour que le choix soit porté sur son nom, il a fallu qu'il euh, euh, démontre à tout le monde qu'il est un pur produit de l'élevage, un homme qui aime l'élevage, qui est passionné d'élevage. l'élevage. Mm. Et je voudrais dire également à ceux qui le détiennent aujourd'hui que Fadi Keïta n'est ni un terroriste, ni un criminel. Mm-hmm. C'est un haut cadre qui a fait les études les plus sérieuses au Sénégal et au Sénégal. C'est également un acteur de développement. C'est euh, important que l'élevage, comme l'a dit le maire, il surtout l'élevage de prestige, qui est un élevage qui fait la fierté aujourd'hui au Sénégal et qu'il est temps qu'on arrête ces simulacres et qu'on laisse Fadi Kaïta et tous, tous ceux qui sont comme lui retrouver leurs proches, leurs amis, leurs collègues et se mettre au service du Sénégal. Ceci dit, chaque fois que je viens cette foire, je suis émerveillé et particulièrement content. Je voudrais vraiment féliciter tous les acteurs de l'élevage. je le disais tantôt qu'il est impératif qu'ils fassent labelliser euh, un produit comme le mouton lapin. Parce que c'est un produit strictement sénégalais. Il ne faudrait pas qu'on traîne les pieds pour que d'autres viennent le, prendre, mhm. euh, l'améliorer ou le changer et euh, euh, se l'approprier en termes d'organisation et de reconnaissance universelle. le produit qu'on voit ici, quand on voit un mouton qui fait plus de 100 kg, mhm. c'est le produit de plusieurs décennies de travail, de croisement, Très bien. de travail minutieux, patient, mhm. pour montrer que le Sénégal regorge de génie que dans tous les secteurs, on peut performer et proposer au monde des choses qui nous soient spécifiques. il ne faudrait pas qu'on se le fasse, euh, excuse-moi du terme, mais chipper ou voler à la dernière minute. Hmm. J'insiste encore au niveau des éleveurs, il faut accélérer le processus parce que le ladum est une production spécifiquement sénégalaise. Hmm. Elle doit faire notre fierté. Et comme tout ce que j'ai vu ici, hmm. nous avons vu au niveau des, des bovins, euh, ce qu'on a visité aujourd'hui ici. C'est extraordinaire, on a l'impression d'être au Salon de l'agriculture de Paris avec euh, des, des, spécimens tout aussi imposants et qui ont été euh, produits ici au Sénégal, croisés ici au Sénégal mhm. et par de très jeunes Sénégalais en plus. Et ça, ça doit faire la fierté et c'est pourquoi nous pensons que, comme nous l'avons décliné d'ailleurs dans notre programme politique 2019, et que nous réaffirmons, l'État du Sénégal doit se pencher sérieusement sur cet aspect. Il y a l'élevage de manière générale. Il n'est pas normal que notre pays continue à importer de la volaille, à importer euh, euh, des ovins et des bovins. Euh, aujourd'hui, quand on s'achemine vers la Tawaski, et on est obligé d'aller chercher ailleurs. Donc cet élevage général doit être soutenu mhm. euh, par euh, une politique d'installation de, de, de, mais également d'accessibilité, par une politique de réactivation de plusieurs vallées, dont les vallées fossiles, pour permettre la disponibilité en eau, mais également en aliments de bétail. Soutenir également l'industrie de production d'aliments de bétail, soutenir tout ce qui tourne autour de cela, notamment les vétérinaires et autres, mais soutenir aussi les producteurs et les animaux. Mais également l'élevage de prestige. C'est extrêmement important. Quand vous avez des salons de l'agriculture et de l'élevage qui sont visités dans le monde entier, les gens viennent de pays à pays pour venir visiter le salon de l'élevage en Italie, en Allemagne, en France. C'est parce que les États unis pays ont été compris l'importance que cela pourrait représenter, même au plan touristique. On m'a dit tantôt que même des organisations internationales viennent visiter, des ambassadeurs de grands pays étrangers viennent visiter. Ça veut dire que même pour euh, euh, notre politique touristique, nous pouvons à partir de l'élevage également vendre le Sénégal. C'est pourquoi nous sommes très satisfaits d'être là nous vous encourageons. Euh, c'est pas facile. Euh, c'est beaucoup d'attention, beaucoup de temps consacré, beaucoup de patience, beaucoup d'argent dépensé. Quelquefois, vous ne gagnez même pas. C'est la passion, c'est l'amour pour cet élevage-là. Et nous vous encourageons parce que vous êtes en train de faire la promotion du Sénégal pour Et enfin, euh, à l'image du maire Patrick Diaz, Dakar a l'honneur d'organiser quand même un des plus grands forums du monde, vous savez, l'économie sociale et solidaire, c'est euh, le contre-pied de l'économie classique, basée exclusivement sur le profit. Le principal objectif de l'économie sociale et solidaire, c'est de lutter d'abord contre l'extrême pauvreté et contre la pauvreté. D'abord l'extrême pauvreté et la pauvreté. C'est pourquoi ceux qui sont prioritairement visés, comme il l'a dit à l'intérieur, c'est tous ceux qui sont exclus du système de financement classique, c'est tous ceux qui sont dans la toute petite activité de survie, et qui peuvent être orientés vers cette, forme de finance, euh, qui ne cherchent pas le profit, qui ne cherchent pas à surtaxer, qui ne cherchent pas à imposer euh, des taux d'intérêt euh, que les gens ne peuvent pas supporter, mais qui cherchent beaucoup plus à un bénéfice partagé. c'est pourquoi on parle de solidaire. C'est l'économie, mais solidaire et avec un but social, c'est-à-dire sortir les gens de l'extrême pauvreté. Et Dakar a l'honneur sous la coupole de monsieur le maire. J'espère que cette fois-ci, euh, l'État ne va pas encore lui faire le coup de la dernière... Euh, forum de l'eau. Le forum de l'eau. C'est la ville de Dakar qui a été désignée pour l'organiser. L'État doit accompagner sans partie pris politique et permettre à monsieur le maire d'organiser avec toutes les autres mairies du Sénégal, mais surtout cibler les secteurs comme les vôtres qui doivent être les animateurs de l'industrie. C'est important pour euh, le Sénégal d'ici là, il faut que tous ensemble nous travaillions à bien préparer cette forme et à montrer que le Sénégal a beaucoup à offrir sur l'économie sociale et solidaire. Et c'est ça qui permettra peut-être de capter beaucoup de fonds, parce que sur l'international, il y a beaucoup de fonds destinés au financement des entreprises. pensez-vous délocaliser ce salon à, la ville de Ziguinchor Oui. Adam, travailler avec Adam pour la ville de Ziguinchor. Oui, vous savez, Ziguinchor n'était pas encore une très grande zone d'élevage, comme toutes les zones plus ou moins forestières connaissez beaucoup plus par euh, des races un peu moins prestigieuses, des races là, hein, des vaches très courtes, euh, des moutons très courts sur pied, mais qui ont un goût beaucoup plus agréable <laughs> Alors, nous, avons, nous, avons, nous avions eu toujours beaucoup de problèmes à à euh, introduire certaines espèces, par exemple les chevaux <laughs> c'est difficile de développer sérieusement l'élevage. Mm. Mais depuis quel temps, il y a du développement Par exemple, les races d'atomes sont introduites. Il y a, au mois de décembre, il y a eu une foire de l'élevage où les gens ont exposé euh, pas, pas, pas, le même calibre, mais quand même, il y a quelque chose qui se développe. Mm. Et nous inviterons euh, justement Adam. à venir euh, en collaboration avec les éleveurs locaux, à venir euh, développer. Mais comme dit Barthélemy, nous avons quand même un bon parterre d'élevage de cochons c'est ce qu'il cherchait d'ailleurs ici. waaye amul kaddu ci ci ci wolof. kaddu lan lay doon boo gisee ndaw yi xale yi xaw ah, yi adam ñu organisé salon yu mel nii salon bu ci ñëw rek gën a mucc ayib mais surtout tamit ñi ci ànd ak ay sponsor ñooñu ñooñu ànd ak ñoom di bi lan lay doon en tant bi dëgg la yàgg naa fi ñëw bu mu mel bu mu mel may nekk ndaw ba nekk bu may yàgg yàgg. ndax ñoo xam ne xam nañ seen kër loolu laa doon yar rek daal euh, bi ci suuf mbaam mbaam bi ne ma sa souris blanche génne leen ci kër parce que euh, ba ci les chiens de euh, marinois yeeg berger yeeg boubou yeeg boubou yëpp voilà ñu nga yëpp naa leen léegi sëpp ah, ndax gars yi dañuy toog yàgg nañ ci yàgg ñu loo xam ne passion la moo tax ñu yàgg di ñëw di ñu def ren nag dafa am ci yokk mooy ci jiite seen association di Fadil ñëpp xam fi ma féete di sama rak waaye di surtout sama collaborateur sama confiance ak euh, yàlla dafa nekk euh, tey teewul fii parce que dañ koo teg loxo ci loxo moom dëgg waaye li ñu a frappé mooy démb soxnaam dafa bëgg rek nga dem fekkee ci ci mhm. donc sama ñëw bi dama ñëw pour euh, sargal Fadilou Keita delloo ko ñu te wax ñi ko jàpp ci Fadilou Keita du criminel du sàcc kat du raykat ndaw ndaw réew mi jàng bi jàng bi. toll. jàng fii ci Sénégal jàng fii ci bu am ay lijaasa nekk cadre bu mag fu liggéey waaye nag nekk acteur de développement gis lu mel ni lii mu bëgg nekk ci di yar di ànd ak yéen ñi ci liggéey ba ngeen mun cee dugal ndaw ñu bëri bëri yoo xam ne tey suñ nekkuloon ci lii amaana ñi nga ñi nga ci leen loo xam ne mm. euh, bu baax ci société bi kon dañ ko wàcc ñu génn dellu ci ay activité ndax ñi ñu war a jàpp ci réew mi mooy ñi sàcc xaalis réew mi te ñu ngi loolu weesoo nag ñu wax ne ñëw nañ ci mbégte bu rëy rëy waaye surtout toujours su ma damay am damay gën a am li admiration damay gën a am euh, euh, yéeg-yéeg

te ku jur bëgg jur yàlla bëgg la waaye yéen koy def it parce que da ngeen bëgg a wane Sénégal am nañu talent am nañu potentiel dañu leen di consommer. te loolu firndewu na ci laas bi ñuy wax laadum nga xam ne Sénégal moo ko créé xam nga suñu ne woon ci àdduna bi lan la Sénégal créé dina jafe ñu wax ci temps yi la ñuy doog a am ñu labellisé ñu ceebu jën ba Sénégal a ko moom moom la ñu njëkk am defe naa ci labellisation wala am na yeneen waaye nag moom laa njëkk a teew kon suñu demee ba ci wàllu jur dina ñoo toog di seetaan télé ñu naan salon de Milan salon de Paris salon de Berlin ñu naan tubaab bi ñoo créé race bi suñ toog ñu bañ ne Sénégal bi créé ñu mooy a nong ci li xar liy gën a ah, njool ci xar Sénégal lañ koy produire li gën a gudd ci xar Sénégal naa ni sax li gis ñu ma def na xaw ma cent ñaar cent quatre-vingt-un kilos presque deux cent kilos gëm ma ni dina dina nga gis xar loolu kon loolu euh, da ngeen war a xam ne Sénégal yéen liggéey hmm. waaye nag buur bi war cee jàpp bokk na ci laa dum nañu gaaw ñu fexe ba yóbbu ko fa ñuy euh, labelliser comme di waxee labelliser waaye fu ñuy nangoo ni lii Sénégal ko boo ko defal parce que nee nañ ma ay nit a ngi ñëw waa ñu a ngi ñëw di jël ñooñu ëpp doole ñooñu ëpp alal bu ñu leen seetaanee fii ak 6 mois 1 an ñu dem déposer benn affaire ñu ne Qatar moom mbir mi kon nañu gaaw

moy fexe ba nit ñi dañu soxla ci ndawal ñu mën ko produire ci réew mi moy élevage de masse bi absolument il faut ñu jàppale leen niñ koy défé moy fexe ba gas forage doy ci xalé fexe ba ñi defar aliment yi aussi ñu yombalal leen jàppale leen li nga xamné ay vallées yu amone comme lu melni ni fossile ak yeneen ak yeneen ñu fexe ba rek rek dëkk bu nit ñi mën faa yar di dem di fa def pâturage waye it ñu fexe aussi ñi ci liggéey ñëpp moy muy vétérinaire muy euh, kii defar aliment ak yeneen yeneen ñu jàppale leen mu am des politiques de financement de formation de mise à niveau mm. waaye tamit yéen ñi nga xam ne dañuy def élevage de prestige muy lu am am solo parce que nag li muy jur ci koom-koom bu bëri ndax man yàgg naa yar pigeon ñun ñu yar pitax pitax 300 lañ ko doon jaay boo ñëwee yar yar na kii jël parfum def sànni pour mu ootal nga këppatal gaaw jaay balaa borom di ñëw yooyu yëpp jaar nañ ci waaye 300 lañ ko doon jaay waaye su ma ñëwee fi ñu ne ma pitax léegi am na ñuy jaay 1 million 500 pitax 1 million 500 benn pitax dañuy voyage sax léegi am na ay voyage mais loolu économie la te niñ nee nañ ma demande bi moo ëpp offre bi ñu ngi yóbbu ba Nigéria di yóbbu fu nekk ci Afrique waxuma la nag xar yi waxuma la nag yi waxuma la leneen kon loolu état bi daf ci war a jàpp xam ni mun na pourvoir énormément d'emploi fi may daanelee nag mooy euh, dama dama ànd ak sama doom lay sama xarit Barthélémy Dias mm. daanaan nga xam ne moom la yàlla dégg mm. euh, ville de Dakar alors euh, ñu visité loolu mu wax lu am solo mooy ndakaaru bu soobee yàlla dafa naa mois de mai mooy organiser lu am am solo ñu koy wax forum mondial c'est-à-dire bi yëpp dañuy daje si Dakar ci benn pàcc ci koom-koom ñu koy woowee économie sociale et solidaire mooy koom-koom boo xam ne du utum xaalis rek moo ko tax a waaye nu ñuy def ba dimbali nit ñi surtout nag ñi néew doole yor ay liggéey ndaw ndawaan jaaykatu caaf beeg mareyeur beeg ñëpp a ci yem ba ci yenn éleveurs yi di def activité yu ndaw te mënul am financement ci banque yi ñu leen ni ñuy def ba jàppale ñooñu parce que ñooñu ñooy réew te jàppale goo xam ne duñ leen ci gaañ mu doon loo xam ne nag day ànd ak it yërmande solidarité boobu te muy loo xam ne day sax boo tax ñu yokk si séculaire loolu nag yàlla def Ndakaaru moo ko moo tax yéen la concerné moom moo koy organise waaye yéen a mën a tax mu réussir. macha allah macha jàpp si. parce que buñ ko lancé niñ ko war a lancé. ñu wane ni Sénégal am na potentiel. xaalis bu bëri bi nga xam ne mu ngi ci àdduna nit ñi def ko pour financer activité yu mel noonu dinañ ci mën a capter lu bëri bu ñëw Sénégal te ci seen i activité yu mel noonu kon ñu ngi leen gërëm di leen sant di ñaan yàlla mu dajale ñu waat ak ak ñu jërëjëf merci beaucoup sacrifice a long propre kambe sacrifice sacrifice nee na ah voilà très bien merci

Ay, el medio como hot dog. mi ngi noonu président Ousmane Sonko pare na li nga xamante ni la visite euh, qu'il a consacrée au salon international de l'élevage fini nii ci foire bi euh, ñëwoon comme ni mu ko waxee euh, ci digganteem ak ki nga xamante ni moom moo Keita donc ci loolu la ñu toll jamono yii nii président Ousmane Sonko pare na visite bi laa ñu ngi war a delluwaat cité kër góor gi di fàttali rek mook doom ndeyam ki nga xamante ni moo di Barthélémy Dias ñoom ñoo fi dajee c'était le parrain de ce de cette édition là ak suivre la page du président Ousmane Sonko xamna fi lañ koy di jox dig ba ci kanam wala président Ousmane Sonko ñëw sa relation ak ki nga Keita président Ousmane Sonko aussi euh, un bon éleveur aussi est venu honorer l'ensemble de cette profession les éleveurs du Sénégal au-delà même que nim ko waxé euh, de prestige euh, président Ousmane Sonko délivré na fi message à l'endroit de tous les les éleveurs du Sénégal avec sa vision de l'élevage du Sénégal Dylan leen très prochainement on va essayer de suivre le convoi direction Cité Kër Inch'Allah.